depuis alxames ba ci samedi bi gis nañu prisonniers yu bëri ñu ngi leen di génne ci kaso yi te wax nañ sax lu ëpp euh, juróom benn téeméer ak juróom benn fukk ak ñeenti euh, prisonniers yi ñu bàyyi euh, ñi ñu ñibbi seen kër te loolu pour ñu dafay bokk ci li nga xam ne day apaiser tension bi day apaiser climat social bi ak politique ci Sénégal donc lu rafet la ñu ngi koy rafetlu bu baax ndax dafa ñëw tam ci contexte bu nga xam ne dafa nekk contexte bu difficile ci waajalu élection yi bi nga xamee ne conseil constitutionnel jël na euh, décision bu am bu ñu rafetlu tamit mu invalider vraiment décret bi président jëloon pour euh, annuler décret bi convoqué élection yi ba pare euh, daa di ne loi bi nga xam ne assemblée def ko defoon àndul la constitution loolu lu rafet la moo tax ñu koy ñu ngi koy rafetlu te bàyyi détenu yi ñu génn dafay nekk loo xam ne tamit day yokku vraiment ci jàmm ji ba nga xam ne campagne bi dinañ ko mën a def ci jàmm ak salaam ñëpp mun cee bokk loolu lu lu rafet la waaye nag warul tax tamit ñu fàtte condition yi nga xam ne yooyu téeméeri téeméeri nit ñu ñu jàppoon ci depuis deux mille vingt et un ba léegi te ci ay manifestation ak euh, yoo xam ne ni Euh, ñaare jàpp bi sax ñun dañu xalaat ne euh, jaarul ci yoon ak détention bi nga xam ne téye nañ leen fa te attewuñu leen lu yàgg lool ci condition yoo xam ne nii condition yi jafe la ci kaso yi gis nañ bi ñu génnee li ñuy li ñuy li ñuy nettali loolu ñun yàgg nañ ko ñaawlu ñun rado ak yeneen organisation yi mel ni ñun yàgg nañ taxaw ci di ko di ko ñaawlu di di ci xeex loolu nag moo tax ñu ne waruñu toog rek euh, daal di koy fàtte dañoo war a fexe ba nga xam ne ñi ngi ñaan autorités yi surtout li ñuy wax observatoire nationale bi nga xam ne moom affaire kaso yi lañ ko dénk mooy saytu naka la ñuy téye nit ñi ci kaso yi mu fexe ba nga xam ne li amoon ci condition yooyu ñu téye xale yi bu mu fi amati te nguur gi tam ñi ngi leen di ñaan vraiment ñu continuer li nga xam ne ñu ngi koy def di bàyyi ndaw yi nañ bàyyi ndaw yëpp ñu bokkoon ci Pastef ak ñu bokkul Pastef yëpp ñi ñu jàppoon ci condition yooyu yëpp ñu bàyyi leen ñibbi seen kër loolu day yokk rek jàmm ji ci réew mi mm-hmm. ñi ngi tamit waxteen ne na bàyyi attention bu baax ci ñi nga xam ne ñenn ñi ay mineur lañ ñenn ñi élèves wala ay étudiants yi ñu jàppoon ci leen fa den fois lu mat at door leen a bàyyi ñi ngi ñaan ñu am lu ñu leen xoolee ak nu ñu leen di dimbalee ba nga xam ne sur le plan psychologique ak sur le plan pédagogique ñu mun a dell bu baax ci seenum njàng te tamit ñu fexe ba nga xam ne ndaje bu mag dina am ci justice fexe ba nga xam ne vraiment jàpp yi nga xam ne dañ koy jàpp niñ ñi te tegawul ci yoon wala ñu leen di téye ay téye yu yàgg duñ leen atte ñu fexe ba loolu dañ ci réew mi loolu bokk na ci tamit ci bàyyi bi ñu boole ci alors euh, ki ñuy wax Bassirou Diomaye Faye nga xam ne dañ ko déclaré candidat te article cent 130 bu code électoral dafa ne cour d'appel bu ñu génnee candidat yi na fexe ba nga xam ne candidat yëpp dinañ yem euh, ci taxawaay ci élection yi maanaam campagne bi bu ñëwee ñu mën koo may liberté provisoire mu mën a def campagne am ni ko ñeneen ñëpp di defee ñu yemale ko yemale ñëpp loolu mooy bataaxal bi nga xam ne vraiment tey lañ ko génne léegi lañ koy door a génne di ko euh, rafetlu ci baay bi di tamit ñaax ñi nga xam ne am na taxawaay ñu war a taxaw ba nga xam ne lii dootu fi am mu bañ a tefe am wax tamit ne nañ ko continuer waaye nañ ci boole tam ñi nga xam ne dañ leen a téye ba léegi ñu ngi ci kaso yi surtout ki ñuy wax Bassirou Diomaye Faye nga xam ne candidat la dafa war a def campagne ñi ko ñeneen ñëpp di def mm-hmm. ci même condition ñeneen ñun ñëpp aussi ay weer te fekk defuñu dara est-ce que ñoo ñu mun ñooñu mënuñu xalaat euh, sumb ay procédures yoo xam ne dina tax ñu indemniser leen maanaam ñu dàmpal waaw loolu moom am na si loolu <laughs> loolu dëgg la loolu dëgg la ñi nga xam ne dañ leen a téye Ah, waxul ne lu leer defuñu dara te procédure bi dañ leena a bàyyi nii rek ñu dem téela lu mat ay at wala ay eh, mat lu mat at wala ay weer bàyyi la nga dem rek loolu tamit dafa dafa dafa àndul ak yoon dafa am war a am tamit procédure yoo xam ne ni war nañ si jaar ba nga xam ne dinañ leen jox ndàmpaay nga xam ne dañ leen a blanchir nga xam ne dañ leen a acquitté ñooñu dañ leen war a jox ndàmpaay bu dee nag ñi ñu jox liberté provisoire nañu fexe ba aussi yoon taxaw def liggéeyam alors ñu xam naka la mbir yi taxawee loolu nag euh, organisation yi nga xam ne ñun ci la ñu bokk fas nañ yéene tamit dimbale jàppale ba nga xam ne loolu dinañ ko leeral ci ci ci kanam. d'accord ka Ousmane Sonko lan moo xalaatu RADDHO. ka Ousmane Sonko bi tam même chose la ba nga xamee ne ma dinañ bàyyi détenu yëpp nañ ko ci boole ñu bàyyi ko tax tamit ñu ngi nekk ci moment boo xam ne dañuy apaiser dañuy indi jàmm ci réew mi. vraiment di dialoguer te dialogue yooyu ak apaisement boobu war na mun a am tam boole ci Ousmane Sonko te bu ci waree bokk dafa war a génn ci kaso bi bokk ci ñi nga xam ne dañuy tabax jàmm ci réew mi loolu tamit ñun ci lañ ko boole. ñi ngi wax waxi loi d'amnistie fan yi est-ce que Rado bokk na ci ñi ci ànd wala da ngeen jàpp ni amnistie jaru ko ci situation bi ñu toll ndax mun nañ cee dugal yoo xam ne xëy na yoon daf cee war a def liggéey te buñ ko amnistie loolu dootul mën a ci nekk. non ñun moom amnistie bi ñu ci wax dafa leer ñun amnistie euh, sàkkuwuñu ko ndax amnistie dafa bëri lu bëri lu mu ciy taxañ dafay indi tam li ñuy wax impunité nga xam ne ay ñaawtee fi ñuy def kenn du ko àtte kenn du ko leeral amnistie te leeragul dara leeragul ñuy wax waxu amnistie pour ñun dafa jaarul ci yoon amnistie dafay indi yoo xam ne nii vraiment dinañu li ñuy wax impunité euh, nga def lu bon kenn du la ci dara du la ci fekk loolu day tax lu ngay ñuy sawar di defaat loolu di ko defaat loolu moo tax ñun amnistie bi ñoom ànduñu si te amnistie am na ay crimes yoo xam ne kenn mënu ko amnistier lu mel ni torture ay crimes contre l'humanité yooyu même buñ ko ko amnistier ci réew mi fii boo génnee bitim réew sax di tore dinañ la si topp ñun nag amnistie bi moom wax dëgg yàlla ànduñu si ndax gis nañu ne dafay nëbb ay ñaawteef te day fexe tamit ñi nga xam ne ñoo defoon ñaawteef yi jaaree fa rëcc Euh, kenn dootu leen topp si dara ci mbir yi du leer bu boobaa kenn du leeral dara loolu ñun ànduñu si bëri na ay bakkan yu rot depuis deux mille vingt et ñett ñoo mujjee faatu ci événement bi soxal euh, dàqum élection bi ak ñeneen ñu ci amee gaañu gaañu est am na taxawaay bu mu am ci côté famille ñooñu wala ñi nga xam ne ñooy blessé yi. waaw ñun même taxawaay bi lañ ci am rek am na kuréel yu ñu def euh, RADDHO Amnesty ak LSD ak article dix-neuf kuréel googu ñun ñu ngi ciy saytu ñi ngi taxaw ci di ut ay avocat di leen euh, dimbale famille yi nga xam ne ñoom bëgg nañoo yóbbu mbir yi ci yoon ñu yóbbu ko ci yoon loolu koy taxawaay boobu moom ñu ngi ko am depuis at ñu ngi ciy liggéey te ci la ñuy continuer tamit di liggéey Sadir Nias, vous êtes le secrétaire général euh, de la RADO, la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme. Vous avez formulé des recommandations relativement aux détenus politiques qui ont été libérés dernièrement, au cas Basirou Diomaye entre autres. Pouvez-vous revenir justement sur ces recommandations à l'endroit du gouvernement On a sorti un communiqué de presse pour dire qu'on a constaté que depuis jeudi, il y a une vague de libération des détenus politiques et ont été détenus depuis les événements de mars 2021 jusqu'à maintenant. Et, euh, ces détenus aussi, cette libération est intervenue dans un contexte vraiment difficile où on a vu vraiment le Conseil constitutionnel prendre une décision historique de déclarer la loi qui a été votée par l'Assemblée nationale reportant les élections au 15 décembre 2024 comme une loi anticonstitutionnelle et vraiment abrogeant aussi le décret euh, euh, du président de la République qui annulait le décret de convocation du corps électoral. Donc, euh, c'est un, contexte aussi d'apaisement et cette libération aussi contribue sans nul doute à l'apaisement du climat politique et social au Sénégal. Mais nous demandons à ce que, effectivement, qu'on n'oublie pas que ces arrestations ont été faites dans des conditions et que c'est et euh, euh, que la plupart des personnes qui ont été arrêtées n'ont été dans, en toute illégalité, et la détention aussi, des longues détentions et des détentions illégales des personnes dans des conditions vraiment inhumaines que nous avons dénoncées, nous en tant que RADO et autres organisations de défense des droits humains. Donc, demandons à ce que euh, l'Observatoire national de privation des libertés qui euh, en charge euh, de veiller à ce que les conditions euh, d'arrestation et de transfert des personnes soient dignes et respectent les normes au niveau international, que l'observatoire s'assure que ce qui s'est passé ne, ne, ne, reste pas impuni. Demander à l'État aussi de poursuivre vraiment cette libération et euh, parce que cette libération aussi des personnes qui ont été détenues illégalement contribue sans nul doute à l'apaisement du climat social et politique. Veillez vraiment à ce que ce qui s'est passé, en tout cas depuis 2021, des arrestations, euh, des pratiques policières et judiciaires indignes de notre, de notre République, des arrestations arbitraires, des tortures, euh, des retours de parquet, euh, le fait même de refuser systématiquement des libertés provisoires à des personnes qui en ont droit, toutes ces pratiques vraiment puissent euh, être euh, analysées et trouver des solutions pour que cela soit vraiment définitivement écarté, réglé dans notre pays. Ici, il faut veiller, en tout cas une attention particulière doit être accordée à la situation des élèves, des étudiants et des mineurs qui ont été détenus depuis une année et veiller à, trouver des accompagnements psychologiques et pédagogiques aux élèves, aux étudiants pour leur permettre de retrouver rapidement les cours et de reprendre leurs études. On a demandé également à ce que euh, euh, la Cour d'appel qui a en charge euh, la mission de veiller à l'égalité des candidats selon l'article LO 130 du Code électoral puisse trouver accorder en tout cas la liberté provisoire à Bassirou Diomaye pour lui permettre de mener une campagne électorale euh, dans en toute euh, euh, en, tout cas en égalité avec par rapport aux autres candidats mener sa campagne au même titre que les autres candidats euh, déclaré à l'élection présidentielle de 2024. C'est ça qu'on a sorti comme dans un communiqué, comme recommandation adressée aux États, à l'Observatoire national de privation des de, de, libertés. Mm-hmm. Est-ce que vous pensez aussi aider les euh, détenus qui ont été libérés à se faire indemniser par l'État parce qu'il y en a qui n'ont absolument rien fait et qui ont été acquittés après quand même des mois passés en prison ou années pour d'autres. Oui, ici, il y a des, détenus qui ont été acquittés, euh, blanchis totalement et libérés. Ils ont, euh, ils ont droit à une indemnisation parce que le fonds euh, d'indemnisation par rapport aux détentions illégales existe et nous allons comme des avocats les aider à pouvoir disposer de ce fonds d'indemnisation. Maintenant, pour les autres qui ont bénéficié d'une liberté provisoire, nous demandons à ce que rapidement leur cas soit réglé par la justice et qu'on puisse situer les responsabilités et déterminer les conditions dans lesquelles ces personnes ont été arrêtées et que justice puisse se faire. Voilà un peu ce qu'on peut dire. Pour ces personnes qui ont été arrêtées illégalement, détenues et puis blanchies totalement, ils ont droit toujours à être indemnisés parce que le fonds d'indemnisation quand même euh, existe euh, et qu'il faut on met à, leur disposition des avocats qui leur permettront d'en profiter. Et pour le cas Ousmane Sonko, qu'est-ce que vous retenez et, recommandez euh, pour peut-être euh, euh, sa libération et la suite même de son dossier Pour le cas Ousmane Sonko, en tout cas, nous, nous recommandons qu'elle puisse être bénéficié d'une liberté, que ce soit sous quelque forme que ce soit, qu'elle puisse retrouver la liberté et participer même à l'œuvre vraiment d'apaisement qui est aujourd'hui enclenchée au niveau de notre pays. Parce qu'il faut quand même que les acteurs politiques se retrouvent, discutent et apaisent le climat social et politique tendu que nous connaissons et aller vers des élections apaisées, que vraiment ces élections puissent être, euh, se faire dans la transparence, dans la paix et que ce soit des élections inclusives pour que euh, le processus puisse être crédible et que le, meilleur gagne. Voilà un peu ce qu'on recommande, mmh. qu'ils soient libérés et qu'ils puissent participer ouvertement à l'œuvre d'apaisement à travers un dialogue ouvert et franc avec les autorités, entre tous les acteurs politiques au Sénégal. Êtes-vous pour ou contre une loi d'amnistie On en a parlé la semaine dernière. Euh, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de, passer à un tel euh, procédé Nous, on est toujours contre une loi d'amnistie. Une loi d'amnistie, souvent, est prise dans le temps euh, d'une situation après conflit, après guerre, euh, dans des situations beaucoup plus graves que ce qui s'est passé ici au Sénégal, qu'on a connu au Rwanda, en Centrafrique, ou bien même en Côte d'Ivoire. Je pense que ici, parler de loi d'amnistie, c'est pour nous un moyen de consacrer l'impunité. Et pour nous, tout ce qui consacre l'impunité est un facteur aussi qui encourage la répétition des violations des droits humains. Et surtout, il y a des crimes également qui euh, ne peuvent pas être couverts par l'amnistie, les crimes de torture. Et toutes ces personnes qui ont été vraiment, euh, qui, qui sont mortes durant ces événements, euh, les, les, les, situations graves, les destructions des biens, des assassinats, je pense que tout ça mérite d'être élucidé. que l'on puisse situer les responsabilités, voir dans quelles conditions ces événements se sont déroulés, et situer les responsabilités avant même de parler de pardon. Voilà un peu ce qu'on pense de l'amnistie. Nous ne sommes pas